La di ab centre médical bu amee équipement yu mucc ayib te xarañ lool ci traitement de jinn, sorcellerie mauvais œil problème de santé état mental anormal cauchemar maanaam gént dinañu faj itam ndoxum siti diabète asthme tension prostate kyste fibrome règles douloureuses femme stérile et éjaculation précoce les traitements se font avec des plantes médicinales la médecine prophétique manam jangaleb la bi ak le saint coran gaaw leen gaaw dem foofee ca Yoff APEXI 2 fekk fa kii di Serigne Cheikh Djibril Diallo wala ngeen woote sur le 77 187 57 57 70 864 45 ou le 77 974 04 34 ak centre médical Al Afia wérgu yaram ba mënoo xool keneen ci jinne yi maa jinne de moom jinne la war a nekk mais pas ngay nekk ci doomu aadama wala yow da nga fàtte aaya bi yàlla wax wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun lan moo tax yàlla ne da leen sàkk doomu aadama ngeen jaamu ko ngeen topp fii tey jii dugg ci doomu aadama di ko sonal xanaa xamoo doomu aadama xalifatun fil ardi kaw suuf moom la yàlla jiital lépp lu nekk ci kaw suuf dama hmm? lan moo taxoon Iblis wàcce ka dama bëgg nga tuub dugg ci diin lislaam nga bàyyi kii doo tuub. lu tax doo tuub. man mënoo ma tuub. lu tax mënoo tuub. man. waaw. gëmuma ko. lu tax doo ko gëmoo ko. lu tax gëmoo ko. sama yonent laa kuy sa yonent gëmuma seen yonent. kuy sa yonent. Kële. Kële kan. mooy Jésus. Jésus. Mhm. kooku mooy sa yonent. Mhm. kon yonent bi du sa yonent Muhammad sa. Hmm? lu tax ngeen du sa yonent. bokk ak moom dara. wuy ma. Hmm. xam nga fekk nga ñaari zamaan yëpp. Mhm. Hmm? lan moo tax te jii yàlla ne leen moom moo wàcc yonent bi tamit te ngeen bañ koo gëm. Hmm? know. You yónniwul you yonent yónniwul beneen yonent si moom la yam non non Muhammad mooy yonent bi mujj ci yonent yi mm-hmm. hmm? daagan déedéet man gëmuma kooku Iblis moo la gëm loolu loolu mm-hmm. hmm? bàyyi leen kooku kooku mooy salaam man man topp ma kooku man Jésus laa topp man topp ma Satan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 ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله ومن يكفر بآيات الله ومن يكفر بآيات الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وإذ قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا حسابا أبى واستكبر كان من الكافرين فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين lan moo tax ngeen téye ko lan moo tax ngeen tere ko julli lan moo tax ngeen fonk jëkkër lan moo tax ngeen koy diriger daf leen doon sonal est ce que tuub nga tuub yow dëgg la bàyyi na ko wóor na ban tur nga bëgg ñu jox Yusuf, ba bis nga tey tudd nga Youssouf ñu ngi ñaan mooy nga dem màkk rapidement nga tuub julli foofu jaamu sa borom dégg am na julli di fa nekk aca asalaamaaleykum wa rahmatullah Keke ça va. ça va bien merci. Baye ngam ngi am oui ça va alhamdulilah. alhamdulilah Keke euh, tay ma ñew centre médical Al Afia fekk la fi euh, nga bok ci patient yi il paraît que aussi en même temps ci kër nga bok yaa jibi am ngeen ben relation bu xaw bu sérieux ça se voit que ni am nga fo fo jaar est-ce que mo nga expliquer yaa ci jaar jaar ak jibi bi. waaw sama jaar jaar ak jibi c'est que en fait euh, tout récemment. Mm-hmm. quand j'avais des problèmes. Mm-hmm. je suis parti un peu partout. Mm-hmm. J'aime Fadjou. Mais le problème, c'est que lui, je l'ai connu par l'Internet. Ok, par mm. Sénégal TV. Par Sénégal TV, exactement. Mhm. Et quand je l'ai aperçu, mhm. euh, au niveau de mon écran, mon top me quoi Le problème, c'est que Nick lui wax deug. Beaucoup de gens ne qui il est en train de dire la vérité. Quoi. après, j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit Tu passes. Et quand je suis venu, il m'a consulté. Quand mhm. il a parlé, je sais exactement que qui l'humour, le moment dal. Mhm. Et après, euh, on a commencé les traitements et tout ça. Mhm. je me sens bien maintenant. C'est comme ça que ça s'est passé. Il paraît que ma femme elle avait des kystes, au niveau du ventre. Et bizarrement, c'est quand elle était enceinte, bon moins en deux mois. Elle est partie à l'hôpital, on a vu que les kystes étaient plus grands était plus grand que l'embryon. Mhm. Euh, les médecins ont dit qu'il faut l'opérer, des trucs de ce genre. Mais moi, jusqu'à présent, j'étais vraiment étonné parce que euh, durant le premier mois et le deuxième mois, il n'y avait rien. Mhm. C'est quand elle passe au troisième mois que mhm. le kiss a apparu. Donc c'était un phénomène qui était vraiment euh, assez bizarre chez moi. Donc quand je suis venu, je lui ai demandé à Julie il a dit juste euh, comment il faut faire euh, pour traiter ça mhm. et tout ça. Puis on a pris le traitement au sérieux. Mhm. Et au bout d'une semaine, deux semaines, mhm. elle est partie à l'hôpital, on a vu que tout a disparu. Le médecin a demandé mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est comme ça et c'est parti. Comme centre médical à l'AFIA euh, Vraiment, il n'y a vraiment rien à dire quoi. depuis que je fréquente ici, en plus, franchement, ma religion quoi. Avant, je sais que je suis, je suis né musulman bon, parce que j'ai trouvé mon père était musulman. Mhm. On a on a fait l'école coranique et tout ça, mhm. mais je respectais pas les prières. À tout bénir musulman, je ne le faisais pas. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter ici, franchement, j'ai vu qu'à part Dieu, il n'y a rien d'autre. quoi. Il faut prier, respecter ta religion, puis mhm. tu as la santé sans problème. Quoi. Et puis tout va bien, sincèrement. Et je remercie beaucoup Djibi quoi, de ce côté-là, parce que franchement, quand tu vois une personne qui déroute, mhm. tu la mets sur un bon chemin, mhm. franchement, ça, tu n'as pas de quoi payer cette personne. Quoi. Mhm. Euh, centre médical Al Afia Sénégal TV ok merci beaucoup je vous remercie aussi. bonjour madame. bonjour. vous allez bien. oui. Ah, je t'ai trouvé au centre médical Al Afia euh, pour te pour te soigner mais il paraît que tu as un petit euh, souci avec la religion. Pourquoi tu pries pas euh, Je ne prie pas parce que c'est pas que je ne prie pas, mhm. c'est que je suis née musulmane. Mhm. Euh, pendant... Euh, jusqu'à l'âge de 19 ans. Mhm. Et puis après, je suis allée dans un pays étranger. à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à, commencer à lire les psaumes catholiques. Je me suis rendu compte que en lisant les psaumes catholiques, ça me, ça me touchait plus. C'est comme si j'étais plus rapproché lui tu vois, mhm. que cela. Raison pour laquelle tu ne pries pas. Et euh, tu, m'as as dit tout à l'heure, quand tu dors, euh, quand tu dors au lit, tu, récites le Coran pour dormir. Je mets, oui, j'allume le Coran pour dormir. Pourquoi tu ne tu, prends pas la religion pourquoi, pas tu prends pas la religion des autres pourquoi je ne crois pas à la religion catholique Parce que de un, du côté de la religion catholique, mhm. pour moi, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Pour moi, Jésus, c'est un prophète. Mhm. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on boit et qu'on fume, mm quoi qu'on puisse dire, comme on le dit chez les catholiques, mhm. ça empêche l'Esprit Saint de descendre. Et là, voilà la différence avec le Coran. Avec le, Coran. Quand tu le mets, quand je dors, je sais pertinemment que le fait qu'il soit récité émane déjà les gens du mal à, mon à mes côtés. À tes côtés Toi, tu préfères dormir à côté du Coran à côté du, de l'autre, euh, l'autre, comment il s'appelle, l'autre religion C'est pas que je préfère, mais c'est une habitude que j'ai pris C'est une habitude. à force le maîtriser aussi, n'oublie pas que j'ai appris les sourates. Mhm. Donc du coup, je sais exactement quelle sourate aussi empêche euh, les djinns de rentrer dans une maison. Et toi, tu es musulman ou chrétien Moi, je suis né musulman. Tu es né musulman Et tu crois que ça, c'est normal ce que tu fais, est-ce que tu crois que ça ne tu pries pas et quand tu dors, tu préfères écouter le Coran Mais Ben, c'est pas normal pour la plupart des gens. Mhm. Et par rapport à Dieu, est-ce que c'est un problème Oui, parce que j'ai pas encore trouvé ma voix. et, lui, il sait exactement pourquoi j'ai pas trouvé ma voix. parce que je j'ai préféré euh, utiliser la voix qui me permettait d'être plus proche de lui. Mhm. C'est plus facile pour euh, la plupart des gens, par exemple. 90% mhm. de la, population vont apprendre l'arabe, mhm. ils vont réciter, mhm. même s'ils ne connaissent pas euh, la traduction, ils vont pratiquer. Moi, je suis le genre de personne, si ce n'est pas ma langue maternelle, parce que je me pose beaucoup de questions, je ne suis pas. Ça, c'est ma nature humaine. C'est ta nature humaine. et, vraiment, tu veux changer Changer. Oui. C'est pas que je vais changer. Moi, comme je l'ai expliqué, j'ai un copain catholique. Tu as un copain catholique Oui. Je lui ai expliqué comme quoi je ne pouvais pas être catholique parce que justement, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Oui. C'est la seule différence entre lui et moi. C'est la seule différence. C'est ça qui fait la séparation, exactement. Ok. Chez les musulmans, je crois à tout ce qui est écrit. Tu crois à tout ce qui est écrit Tout ce qui est écrit. Mhm. Et par contre, la question que je me pose, pourquoi quand je prie, je suis plus attirée. C'est comme si j'ai l'impression que le monde me m'écoute plus quand je récite en français qu'en mm. arabe. Ok. Ah, voilà la question en fait. que je, t'ai trouvé au centre euh, médical Afia, mm. tu es venu chercher quoi euh, J'ai eu des problèmes en fait. Je ne sais pas que c'était des problèmes. Mais après, à la langue j'en ai discuté avec mon frère. Mhm. Et je pense qu'après avoir refait deux fausses couches bizarres, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu es venu ici, qu'est-ce qu'on t'a dit euh, On m'a fait, euh, comment on appelle ça Je ne connais pas exactement. On m'a mis. Ventouses. voilà, les ventouses. Mhm. Puis après, euh, une fois qu'on m'a mis les ventouses, on m'a donné des médicaments à boire. Mhm. Ce que j'ai aimé par contre, c'est qu'après qu'on m'a fait les ventouses, mhm. il m'a demandé de faire, de, faire des prières, de demander ce que je voulais qu'il parte de moi. Mhm. Je suis une personne, je sais que depuis que je suis petite, je fume quand même et je bois. Ah, tu fumes Ouais. Et tu bois aussi mm. Oui. Et il m'a donné des médicaments pour ça. Mhm. Ben, je pense qu'il m'a donné des médicaments. Et puis <laughs> j'en ai, fait le, résultat hier. Ah bon Oui. Et tu fumes, tu fumes depuis hier, tu fumes pas C'est pas que je ne fume pas, mais c'est que quand j'ai commencé à boire les médicaments, oui. Euh, même quand je prends une ou deux taffes, après j'ai la tête qui tourne. Oui. Et après, je suis sortie avec mes soeurs. Oui. Et j'ai pris juste un verre que j'avais du mal à terminer. Oui. Un verre. Un verre. Ouais, que j'avais du mal à terminer. Est-ce que tu as vomi Oui, mais ben jusqu'à présent, je vomis en fait. Ok. Je vomis, je vais aux toilettes, ouais. Quand je pense que tu as vu le résultat Ouais tu as vu. Mais qu'est-ce que tu dis à, la centre médical AFIA Il ben, faut dire aussi qu'avec ce que je viens de vivre, mhm. pour le moment, euh, c'est un centre dont j'y crois. Parce que je vois que, comme je t'ai dit, j'ai commencé hier, que je vois déjà des résultats. Oui. Maintenant, j'espère justement mhm. que bon, ce sera des résultats à long terme aussi. D'accord, <laughs> merci. Je vous en prie. waaw man xam nga ma man xam nga ma man su may ñëw sa kër du ma tàggoo quoi dama jékki saa rek ni bëri tey nag ma ñëw fekk fii eh, ndeysaan benn frère ak sœur boo doon fecc ñu def témoignage bu am solo loolu yow eh, lan nga ciy wax. waaw di dellu di sant yàlla rek parce que ñun ay jaam rek te aussi mooy li may wax rek def lu baax rek moo am solo. Mhm. te nit ki moom toujours da ngay sababu rek. Mhm. yow yaay faj te yàlla mooy yoral. Mhm. te lii du noonu xamante ni dañ koy ndamoo wala dañ koy bàkkoo mais dañuy sant yàlla aussi tamit. ndam la tamit ci alquran. Hmm. mooy day wane ne alquran mooy dëgg. Hmm. parce que ñu bëri tamit ñooy réere ay biir yu bëri mooy di ñooy dund yu mel nii parfois xam nga te xamuñu carrément dañoo tawat. Hmm. dañoo yaakaar ni xëy na ku tawat mooy ki nga xamante dafa nekk hôpital mais lii nii mooy tawat tawat boo xamante ni tawatu xol la tawat la boo xamante ni taw euh, tawat la boo xam ne tawatu koor la parce que nit kii bu fekkee yow yàlla la bind ci kaw àdduna nga war koo jaamu. war a euh, respecté charte yi nga xam lislaam moom la joxee mënoo koo respecté kon yow da nga tawat hmm. mais bu fekkee benn ba yàlla tegaat ko ci yoon bi kon loolu sant yàlla bu baax a baax hmm. di xam ne nit ñi xam nga diini rek moo am solo daal incha hmm. allah te liggéey bi tamit ñu ngi ci sant yàlla bu a baax parce nga xamante ne noonu la ko yàlla santaane ak yonent bi sallallahu la koy tegee moo tey toujours incha yàlla moo ci may ndam daal ji xam naa du mu la teelu yàgg ndax liggéey bi mi ngi lay xaar waaye tey euh, comme comme li may wax rek euh, boo doon conseil waat nit ñi ndax saa su ne man loolu laa lay posé boo doon conseillé waat nit ñi lan nga leen di waxaat. waaw li yonent bi waxoon rek mooy boo leen demee xamante ne fu ngeen teg hmm. que loolu rek mooy lu hmm. hmm. wóor xam ne carrément dañu am a am kóolute seen diggante seen borom mais waroo ragal yàlla rek nga yem ci mais da nga war a ragal yàlla pare wóolu ko daal te aussi xamante moom moo lay saafaral incha allah sëñ ji bi xam nga eh, def na ni sa doom bàjjan la dama la xaw a yem damay wax tout le temps naan gars yi dañuy wax alxuraan dafa réer eh, dafa yéex ndax gis naa ñeneen ñi faj leen ñi ngi ci am ay 4 4 am ci ay ci nga ne ma musa alquran yeexul te suba suma ma dama gis ni nag ma koy firndeel dafa mel dag may defi waaw lu tax ñeneen ñi ala lañ jiital. Mm-hmm. te alhamdulilah yàlla moo ñuy suturaal. musa mm-hmm. li ëpp important. Mm-hmm. mooy ñun mission la lu ñuy dox. ci kaw suuf yàlla bu fekkee noonu la may ngay suturu li lekk ñeneen ñi dañuy ñëw ndax nit ki ci benn jour. lekk sa xaalis nga dem mais ñun li ñuy def yëpp dëgg la parce que ñii. kenn jox leen suukar ñu macc kenn jox leen lem ñu naan. Mhm. parce que lii mu am important mooy résultat. Mhm. Mhm. mais ñeneen ñi nga xamante ni dañuy faj nit ñi leen daw ñun amuñ loolu. kii boo xoolee feeram bii nga gis moo ñu boole te aussi bu ñu ko traité ba pare ci la indi soxnaam ci la indi sëram te boole na ma ñeneen ak ñeneen. li indi loolu mooy confiance. tey jii samay gaañ lañ samay waay lañ samay lépp lañ. te chaque instant dañuy déggante parce que li mooy résultat.

yëf bopp la yoo xam ne fi ñu bëgg a dem ñu fay dem mm-hmm. loolu rek sant yàlla du ci mm-hmm. des yëpp sutura la mais nit ñi tey ji dañoo sonn surtout tey ji ñun sénégalais mm-hmm. xam nga nit ñi amatuñ boo ñëwee façon ni bi na ngay gis mais ñun pour munti ñëw ak jafe-jafe ba munti euh, am incha allah dañ la ci taxaw jàppale la ci ba yàlla defal la tawfee incha allah parce que loolu moo am important dañu ñun faaleñ ko am alal ak ko amul alal l'essentiel ñu amul important mooy nit ki jafe-jafe yu mu nekk dañ def la tout ba yàlla defal ko ci tawfee daal incha allah kon jibi ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal jëfël wa centre médical Al Afia ak Sénégal TV mi nga xamné ndaysan ndeysaan mo nek ci ginnaw pour pousse mom ñun aussi dañ koy wax ñun dañuy faral di jël ay vidéo waye bëggu ñu jël vidéo yo xamné tamit niki day wax naka sudul nonu day yàqaale même ñun tamit aussi suñu image yag nañu liggéey yalla na yàlla def jàmm jërëjëf sëñ Jibi صدق الله yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, the whole taco chamber, the house.